bonjour à tous. Euh, avant de remercier le sport, de vous parler de performance. Vous savez, la performance n'existe pas que dans le sport. La performance, c'est un objectif qu'on se donne pour être le meilleur dans, dans son domaine, dans ce qu'on fait dans la vie. Et c'est un temps très court la performance. Ce qui est important, ce qui est massif, c'est la préparation. Quelqu'un se prépare pendant 4 ans pour faire 9 secondes 9 de compétition. 9 secondes 9. 4 ans de préparation. Vous le savez. Vous savez que le Maroc est la première nation depuis des années vous le savez. Avant, vous n'existiez pas sur la liste. L'année dernière, vous étiez huitième. Cette année, troisième. Donc, l'objectif est très clair pour moi. Et j'espère que c'est clair pour vous. On cherche de la performance. La performance ne s'improvise pas. C'est un travail que l'on fait, que l'on prépare. Ces équipes ont neuf mois de préparation. Vous, vous avez eu 15 jours de préparation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'année prochaine, vous pouvez être la première nation d'Afrique. Si, si vous rentrez en regroupement ce soir, à partir de ce soir, je ne parle pas du stade, mais dans vos têtes, ceux qui ont eu des médailles de bronze doivent récupérer leur médaille d'or l'année prochaine. Ceux qui ont eu des médailles d'or doivent confirmer l'année prochaine ceux qui ont eu des médailles d'argent, c'est une évidence pour moi. Et ça, c'est un travail qu'on doit commencer aujourd'hui. Avant même de commencer la fête, il va falloir que je vous dise que maintenant vous avez compris l'utilité de la préparation l'utilité de la préparation. Vous tous, vous avez pris le micro pour dire oui, on remercie le président, on s'est préparé. Vous vous êtes préparé pendant juste trois semaines de regroupement interne et une semaine externe. C'est pas assez. C'est pas assez. Je le sais, c'est pas facile dans l'environnement économique de notre pays. Et je pense qu'en faisant des performances comme ça, le gouvernement va venir nous aider dans nos projets. Et maintenant, salam alaikum tout le monde. Je voulais parler à l'équipe nationale. Je voulais leur parler de la performance. C'était important pour moi. Maintenant, euh, je parle aux journalistes. Salam alaikum. Merci beaucoup pour votre présence ici. Euh, vous le savez, vous l'avez vécu avec moi à l'aéroport. Une énorme satisfaction d'avoir euh, pris la troisième place sur 27. Je crois que les athlètes l'ont mérité parce que j'ai vu travailler, j'ai vu leur préparation. Il y a 4 ans, on faisait 72 heures de boxe non-stop. À la fin de nos séances, euh, je croyais qu'ils souffraient, mais ils étaient heureux. Donc ça veut dire que c'était des champions. Mais il fallait les préparer, il fallait les organiser. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais je crois que le travail reste encore. Il y a encore du boulot. Il faut bosser. On veut gagner. On veut pas prendre la troisième place. On veut prendre la première.

dafay gàtt lool mais préparation bi mo am solo dama koy wax samay athlète dama len di wax ni que nit dina préparer ans pour daw secondes 9 donc euh, les ci préparation bi la que nous lañu Fofu jongante bi su amé fofu la ñu mënante ki gëna préparé wu sa morom ki ko am na nag yo mental bi la environnement bi la ainsi de suite mais surtout euh, je pense li indi ndam li jogé na fu gëna sori suñu regroupement bi jogé na fu gëna sori suñu préparation yi fi mu jogé moy biñu démarré ni ñu ko défé li suñu moo doon suñu projet projet bu ñu daanaka la pour egsi euh, mu metti lool mu compliqué lool mais aujourd'hui mënuñu ko wax leneen lu dul liggéey euh, ak sérieux bi xale yi sérieux bi coach yi aussi sérieux pour am résultat bu mel nii donc euh, ñu ngi leen ci gërëm di gërëm staff bi di gërëm ñëpp ñi nga xam ne liggéey nañ ci pour mu egg si fii waaye. léegi nag lan mooy objectif yi bu lii weesoo lan mooy objectif alors ñun euh, euh, ñun euh, li ñu bëgg mooy dem ci championnat du monde bi indi fa ndam ñun gëmuñu ni dinañ participer pour def juste participation dañu bëgg di gagner et dafa am loo xamante ni am na solo trop mooy ni ñu maîtriser yenn yi nga xamante ni mooy moo nekk ci suufu championnat du monde maîtriser ko bu baax ba pare nag am ambition wu nag dem championnat du monde pour nekk numéro un donc defoon nañ ko sur la zone 2 les maîtriser nañ ko zone 2 gagné nañ deux fois euh, bëgg nañu le championnat d'Afrique ba pare am ambition aussi am euh, championnat du monde mais suñu participation duñ fa dem pour juste participer dañu fay dem pour gagner dañu dem pour jëli suñu chance jusqu'au bout voilà merci